Nyancho Media Vision. Qu'on cherche à blâmer. Parce que l'autre, on ne veut pas se mettre devant. Nous n'avons pas de responsabilité. tey ñun suñu demee ba dëkk bi toll ni jaxasoo ni. c'est grâce à nous c'est grâce à nous ñoko ko ñun ñoo jaxase dëkk bi bu ñu àtte dëgg du wax dëgg du nu féetee côté wu dëgg féeteewu toujours lan la ñuy àtte xaalis la ñuy àtte wax xaalis féeteewu côté ku yor xaalis y a de sérieux problèmes bas da ngay na eh, dem sa Ben nga ne ah, ah, idi responsabilité c'est tous les sénégalais tout au complet qui ont fui leur responsabilité manger tout je le dis et je le redis ces politiciens qu'on dit qu'ils fuient ils ne font que répéter nous ce que nous faisons ces politiciens qui fuient ils répètent ce qu'ils ont appris avec la population c'est nous la population population mooy peuple tey sooy compter dëkk bi premier soo naan un da nga naan le peuple moo ëpp moi gën a yaatu moo gën a ngande moo ëpp doole moo yor dëkk bi mais moo gëmul boppam xamul boppam xamul lu mu c'est ce problème que nous avons et on se dit que 50 personnes wala 60 personnes mooy ay politiciens yu nu fal suñuy mbindaan que c'est eux qui vont venir sauver le truc c'est comme si yow tu es à ton palais, tu as 50 servants et tu te dis que ce sont tes servants qui vont changer ta vie. C'est la, merde. Tes servants ne changent pas ta vie, c'est toi qui changes la vie de tes servants. il y si donc c'est à toi de faire mieux. Donc nous le peuple, on attend que des gens viennent faire notre travail toujours tous assis les bras ballants comme ça quoi et a toujours trouvé quelqu'un à indigner ou à pointer du doigt. C'est elle qui a fait ça, c'est elle qui a fait ça, c'est elle ou c'est elle, c'est elle. Pendant que nous, nous avons rien foutu. Nous sommes assis les bras croisés à raconter de la merde, quoi. Faut le dire. Faut le dire. On veut toujours blâmer quelqu'un. Oh, les blancs nous ont fait ça. Oh, blablabla. Alors que c'est nous-mêmes que nous sommes fait cela. C'est nous-mêmes qui avons créé notre mensonge et qui sommes allés se cacher dedans. Nous ne voulons pas ouvrir les yeux, nous ne voulons pas prendre notre responsabilité en main. Nous sommes assis là-bas à regarder maintenant que les autres travaillent. Mais c'est, come on. Come on. On n'a qu'à le dire. Si nous sommes ba nous dirigeant nous nous nous Si Nous ba suñu président yi nous nous pas, c'est de notre faute Si nous ñun tey jii nii nous suñu kilifa nous nous respecter. C'est de notre faute Si nous sommes ba gens qui nous nous respecté ay de notre faute voulons-nous blâmer quelqu'un Amounou Amounou On doit le dire. Amounou Amounou Amounou Ben Nous ne sommes pas n'importe comment, on déloge les gens et on n'arrive même pas, les gens qu'on déloge, c'est ça que j'arrive. On déloge les gens qu'on n'arrive même pas à donner de l'eau potable. je, je, me demande, je me demande des questions. C'est quoi notre problème On déloge les gens qu'on n'arrive même pas à donner de l'eau potable. Pendant ce temps, ils sont assis sur des milliards et ils n'arrivent même pas à piper mot. Ils n'arrivent même pas à piper mot. c'est ça le problème. Nous, on est là, on se crée des trucs, on parle, alors qu'on n'a même pas ce qu'on appelle source de vie. By basic life, ce qu'on appelle la, base de la vie, base de la vie, l'eau, l'eau, l'eau potable. Alors que nous avons le fleuve Sénégal, nous avons le fleuve Gambie, Nous avons deux fleuves qui nous traversent. Nous n'arrivons pas à avoir de l'eau potable, l'eau potable. Mais nous sommes là. Hein? Il faut que les gens se réveillent. Cette manipulation-là, cette connerie-là, ça doit cesser. C'est nous-mêmes qui nous manipulons avec des conneries. Eh, on n'a qu'à accepter la réalité et le dire telle qu'elle est kilifa diine ici, dire ma tous ces chefs là je ne sais pas quoi cette petite chefferie dans ce pays là ne foutent rien c'est des connards et c'est des vauriens ils amuñu benn tant qu'on ne nique pas leur race les mettre de côté et s'occuper de notre futur rien ne va aller Lolo moom qu'on vous le dise très clair Amoul sax ay naxtaan ay C'est ce fi je fi loolu C'est fi que je tey jii ne ana où est l'opposition où sont les opposants wax Finet, fii ne wax mec mec mec mec mbéj pète, mbéj pète. c'est nous le peuple leen nous Nous où sont les oppositions où est le combat dara caxul gars chacun assis dans c'est nous le peuple là encore qui sommes là à s'insulter à se jeter des pierres, à se dire toutes les calamités du monde. Pendant le temps, eux, ils sont là-bas, à l'ombre. Ils sont où ces opposants qui appellent au pays Ils sont où Ils sont où Demb, demb, campagne, bon quoi bëgg. Ku nek ak sa gemiñ. Ku nek ak sa gemiñ. Mbéj, Chacun. Oh non, campagne n'est pas C'était yole sur yole. Yole sur yole, Plan sur plan. Eh, hey, l'air sur na l'air ku nekk génne maa la gën a xam projet yi maa la gën a xam lu làqatuy secret d'état sur secret d'état voilà gars yi ah, c'était c'était bon c'était chaud c'est ça qu'on veut parce que faut que mu am de la matière mais une fois que c'est fini mais oh, voilà où sont les gars les gars ils sont retournés à leur petit maintenant c'est nous qui souffrons ñoom tajunu seen i kër de délogé wu nu leen de ñoo ngi jot seen i salaire ba tey confinement bi yëgunu ko de ñoo ngi xaar prochain kii nu ñoo dajale waat nu ñoom kay lan leen def mooy lan nee ne nen dajale kay waajal deux mille vingt quatre nen dajale suñu ruusiti créer ay fonds pour deux mille vingt quatre lool da leen wax mais pendant ce temps ñun de boobu ba léegi ñoo ngi saaga suñu ndey si réseaux sociaux yi ana gaay ñoo ngi saaga suñu ndey fu ne ana nu ñoom wax gee fi ne man kenn moo tax ma ne man ginaaru kenn du ma nen man damay mat kenn du ma topp kenn topp yii kenn du ma yóbbaale si saa connerie sama ñaxtu bopp laay jooy samay problème jooy laay jooy ma kenn jooy le ma mooy loolu parce que ils ont leur propre problème yu ñuy lijjanti tey jii ne ñuy xaar Sonko ñëpp naan ah kii Sonko kii nangam ko balaa moo génn wax moo ngi topp dem lijjanti tuumaal yuñ ko tuumaal ak leneen moom am na leneen lu muy lijjanti voilà les gens sont bloqués tout le monde est là tey nen bañ na dem lijjanti ñun suñu bopp le ñun on va aller s'occuper des autres gis naa ñeneen ñu naan Assane Diouf Assane Diouf ah, mën na la ne eh, wax gi moom mooy Assane Diouf o Diary Sow o Karara o en fait tous ces problèmes là waa Mbour waa Ndengeleer déggalu ma tout ngeen woloon boole parce que c'est le même problème c'est les problèmes du pays mënul génn c'est les même problèmes c'est les problèmes de la population et des citoyens des dignes citoyens qui paient leurs impôts loolu lépp ngeen woloon boole rek def ko un tuddee ko Sénégal génn dem ko mu mat gën sens le Sénégal est malade on le voit comment on le voit bon on prend dengler, on prend euh, on prend les inondations depuis 2006 on prend si vous voulez vous prenez Assane Diouf si vous voulez vous prenez Diary vous mettez dedans si vous voulez ngeen le kara et le policier tout on met tous les problèmes dans un sachet nous bahal ko ne bon léegi tay di ni 2021 la gis nga problème yi fii lay yem point barre c'est le Sénégal qui se délibère et on sort on s'occupe de ça mo gën wax gi bëri gi yëpp wax gu bëri gi xam ne yàgg naa kaa la la créer c'est des détails yag na ka c'est est des détails ça nous fait perdre même j'ai toujours fait cet exemple les gens ne prêtent pas attention ma ne la ñii ñuy déglu nii ñu ñuy yóbbu sur la table des des négociations C'est pas notre arrangement ça nous blesse à chaque fois qu'on part, les retrouver dans, sur une table, au-dessous d'une table, ou dans la table même. Parce qu'on ne sait pas dans quelle partie de la table qu'on comprend la décision. Ça, ça devient bizarre. Chaque fois que action am, nous ñoo mer gaay yëngal kii nangam, nous, woote nan, démocratie et ay affaires yoy. ba teg gaay si table am lan genre osfam, ay LGB ay ONG quoi en fait. ONG moom la ñuy mujjee déggoowee pour créer daan loolu moom mooy ñëw régulariser branche boobu noonu gars yëpp tàccu kontaan foog ne génn nañ si fekk ni ko woo c'est encore une branche qu'on a créée pour faire sortir de l'argent gratuit e récompenser certains connards parce que loolu su paree da ngay dem xool nu dem fali ji ay connard connard connard connard fal leen si branche bi nu ñëw toog yore auto service yore xaalis yore lépp te problème bi ne n'est jamais résolu ñaata année moo ngi Sénégal ñaata année ba ñuy jooy ah les enfants taal bi les UNICEF ban année lañ ko fu créé ban année ba ñu gaay coow ba ñu gaay kàlla ñu créé UNICEF il est partout UNICEF da nga ko gis yëre taalibe taalibe di dox da ngay gis mais UNICEF si maillot joueur yi nga koy gis milliardaires yi si maillot sportif yu am xaalis foofu nga koy gis. Nous taf ko fa ba nawet nee na ñoom dañuy sponsor ay milliardaires pendant que ñoom ba ñuy jug ne woon na dañuy jàppale xale yi xale yaa ngi taalibe tey est ce que jeex nañ Sénégal souffrance bi est ce que jeex na Sénégal ah hein? moom noonu yeneen ak yeneen ak yeneen toujours coow moo koy andi ga ONU ONU ONU voilà ONU ONU bu gën connu ça encore ONU ah non ba ba les gendarmes d'Afrique soi disant wala je ne sais pas quoi guerre bi l'Afrique, Afrique dictature bi en dañ Afrique corruption bi fa dañ tay la walu mais pourtant fof ay commandant nga fay gis ay militaire africain suñuy doom ni renté légui ñom nu nekk ci kaw di joxe ay ordre di leen jangal ñom na la ni renté du leen gis kër on va encore blâmer le blanc on va encore blâmer les gars alors que c'est nous tellement bêtes c'est nous qui le faisons ñun ñoo fa dem comme si on n'est pas capable de se protéger. On n'est pas capable de faire ce qu'on doit faire. na pas. wante dëgg. Vision l'œil du delta du